le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bonsoir à tous, fidèles auditeurs et auditrices du Forum du Studio Kalangou. Le Forum du Studio Kalangou, c'est l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. La tolérance religieuse et culturelle au Niger, quels sont les facteurs de réussite Qu'est-ce que c'est que la tolérance religieuse Quelle est l'importance de la tolérance religieuse et culturelle Quels sont les facteurs de réussite de la tolérance religieuse Comment créer et entretenir la tolérance religieuse et culturelle au Niger pour avoir des réponses à nos questionnements, nous avons invité Hassan Labdani Yonli. Il est le coordinateur national du programme Zamantare de l'ONG Caritas Développement Niger, CADEV. Hassan Labdani, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également invité Alou Mega qui est secrétaire chargé des relations avec les partenaires au niveau du comité pour le dialogue inter- et intra-religieux, c'est-à-dire national. Monsieur Alou Mega bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également avec nous le révérend Djergou Baragé, qui est trésorier général au niveau du CEDIR national. Monsieur Baragé, bonsoir également. Oui, bonsoir. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation. Et pour la présentation, c'est moi Alassane Kouzi Mohamedou. Bienvenue à tous dans le forum d'aujourd'hui qui porte sur la tolérance religieuse et culturelle au Niger, quels sont les facteurs de réussite. L'homme est un être social qui vit et interagit avec d'autres personnes. Il partage des relations diverses et complexes avec les personnes semblables ou différentes de lui. La tolérance est l'une des choses qui garantit la cohésion et le vivre ensemble. La notion de tolérance définit le degré d'acceptation face à un élément contraire à une règle morale, civile ou physique particulière d'après une définition de Wikipédia dictionnaire en ligne. La tolérance religieuse, quant à elle, mesure l'attitude des différentes religions entre elle ou d'un individu face à une religion. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je demanderai à chacun de nos invités de nous présenter brièvement la mission principale de sa structure. Je commence euh, par vous, Monsieur euh, Hassan Labdani Yoli. Euh, je le disais, vous êtes coordinateur national du programme Zamantare de l'ONG Caritas Développement Niger. Merci pour la parole. Euh, alors, je représente euh, la CADEV, la Caritas Développement Niger, et je suis le coordonnateur national du projet Zamantare. Alors, Zamantare, comme ça se dit en ça, c'est le vivre ensemble. Donc, un projet qui a été initié par euh, la CADEV, la Caritas Développement Niger, et la CAFOD, qui est aussi Caritas Grande-Bretagne. Et ils ont présenté cette initiative à l'Union européenne, qui a accepté et qui a financé ce projet pour quatre ans. Donc nous sommes presque à la fin de la deuxième année et l'objectif euh, euh, recherché, c'est que euh, les, communautés du Niger et du Nigeria vivent dans un environnement culturellement inclusif. Mm. Donc c'est ce qui est recherché par le projet. Et à travers cet objectif, nous avons euh, des activités au niveau des universités, telles que des bourses pour des étudiants, toujours pour les inciter à écrire des mémoires dans, la, dans le cadre de la paix, la tolérance et aussi la cohésion sociale. Mm. Nous avons aussi le volet école qui euh, nous amène à faire par exemple la formation aux directeurs d'école pour que eux aussi puissent les transmettre à leurs euh, enseignants. Mm. Nous avons toujours dans le volet école des bandes dessinées que nous sommes en train de prévoir avec le ministère de la Renaissance culturelle pour euh, donner à ces élèves de l'école primaire pour qu'ils puissent euh, aussi être informés et sensibilisés de cette culture de paix. Merci. Nous allons revenir un peu plus en détail par rapport aux actions que vous menez euh, dans le cadre de la tolérance au Niger. Alors, je donne la parole à M. Alou Hamamaïga, secrétaire chargé des relations avec les partenaires au niveau du comité pour le dialogue inter- et intra-religieux CEDIR national. Pour nous dire brièvement le CEDIR, qu'est-ce que c'est euh, euh, donc, euh, le CEDIR, comme son nom l'indique, Comité de dialogue inter-intra, est, constitué des associations islamiques et chrétiennes. Mm. Donc, c'est ensemble pour la, culture de la paix et de la tolérance, pour la consolidation de la paix. ainsi donc, nous, nous sommes des associations au niveau communal d'abord, il y a les cédures communaux qui sont constitués dans les huit régions du Niger et dans les départements du Niger. Donc, il y a les cédures communaux, il y a les cédures régionales et ces dire régionales ont envoyé des délégués pour désigner au niveau de ces national. Et c'est de là que nous sommes ici. nous avons été choisis par nos pères pour représenter le comité de dialogue inter-interreligieux au niveau national. comme je, vous l'avais dit tout à l'heure. Mmh. Donc, pour la culture de la paix et la conciliation la conciliation de la paix, donc pour consolider la paix et surtout et, qui, qui regroupe hein, les, les, différentes les, tendances, différentes religieuses, tendances religieuses, Au niveau de, religieux islamique, il y a, toutes les tendances sont représentées. Il en est également au, niveau, de, du christianisme, et puis l'Église catholique du Djamé également. Bien. Alors. Euh, nous allons donner la parole au révérend euh, Jergou euh, également membre du CEDIR national. Monsieur Jarou, qu'est-ce que la tolérance religieuse pour vous bon, Je crois que la tolérance religieuse, euh, vous avez déjà parlé de cela dans l'introduction. En tout cas, euh, c'est une sphère qui permet de chercher à comprendre l'autre et de voir comment vous pouvez vivre en paix, en harmonie et dans une cohésion, en tout cas, totale. Mm. Donc euh, la tolérance euh, religieuse ouvre les portes à d'autres religions. Et en même temps, ça permet euh, aux religieux de chercher à se connaître, à s'approcher des autres, hein, pour mieux se connaître. Parce que je ne peux pas agir ou faire quelque chose avec un voisin tant que je ne sais pas de quel bois il s'échauffe, mm. Mais une fois que je sais de quel bois il s'échauffe, je, saurai comment, en tout cas, euh, vivre avec lui et je saurai même comment expliquer euh, ma religion ou ma foi mm. hein, à cette personne-là pour qu'elle puisse comprendre. Et cela va créer une harmonie entre nous. Mm. Alors, Monsieur Alouhama Maïga, quel complément par rapport à la tolérance religieuse Comment vous vous concevez la tolérance religieuse La tolérance religieuse, si on remonte cela, nous voyons que tous les envoyés de Dieu, de tous les prophètes, ont, sont sur la même longueur d'onde, à savoir prôner pour la tolérance, l'entraide entre les gens, quelle que soit leur religion. Hum la tolérance, c'est quoi La tolérance, c'est l'acceptation de l'autre dans la différence. Voilà en réalité ce que. Donc, on nous a tous, selon dans tous nos livres révélés, hein, la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence. Monsieur Hassan Labdani Yoli euh, euh, du CADEV, Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous rajouter par rapport à la tolérance religieuse Alors, la tolérance religieuse, pour moi, c'est d'accepter que l'autre soit différent de moi. Tous, nous ne pouvons pas être de la même religion. Dieu lui-même ne l'a pas voulu. Alors, euh, nous, avons euh, l'intérêt, ou disons, cette, cette obligation de s'accepter parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et chacun a le droit de faire la religion qu'elle veut. Au niveau de la CADEF, par exemple, nous avons des chrétiens et des musulmans qui travaillent toujours dans le cadre euh, de la paix et aussi pour œuvrer auprès des pauvres. Hmm. Quelle est l'importance de la tolérance religieuse et culturelle pour un pays comme le Niger Quelle est son importance Alors, il faut, dire que euh, cette thématique, elle est vraiment dense. Et pour le Niger, où, avec ces jours où nous traversons des moments difficiles, il est plus que jamais important que nous puissions revenir à la paix, que nous puissions euh, s'interpeller et sensibiliser la population pour que chacun puisse apporter sa pierre pour la construction de la paix. À mon sens, euh, cette thématique, elle est, elle est très importante et chacun, quelle qu'en soit sa responsabilité, où qu'il soit, doit prôner cette tolérance pour le Niger. Mm, bien. Monsieur Alou Hamamaïga, euh, chargé des relations au CEDIR national, quelle est l'importance euh, d'œuvrer pour la tolérance religieuse L'importance. Quel est l'objectif visé L'objectif visé, c'est faire en sorte que les gens s'acceptent. De, la même manière, puisque, comme il ne faut, pas oublier, la, notre religion, en réalité, au niveau de nous, l'islam prône la tolérance. Et il est dit que tout celui qui ne fait pas sien les problèmes des autres n'est pas avec nous. Ça, c'est le prophète euh, Mohamed qui le dit. Mm. Donc, il est du devoir de tout celui qui se réclame musulman d'accepter l'autre comme son frère et d'être prêt à l'aider dans la vie de tous les jours et quel que soit l'endroit et le moment en question. Donc, c'est au, point de vue de la religion, il ne peut même pas y avoir d'autres interprétations, sauf l'être humain étant ce qu'il est. Donc, euh, mm. oh, il y a toujours euh, de, hauts haut et de bas. Il y a ceux qui acceptent, selon leur, de se plier aux règles euh, et recommandations divines et mm. d'autres également qui n'en font qu'à leur tête. Mm. Monsieur le révérend, révérend Jergo Baragé, alors, euh, si aujourd'hui euh, tout le monde est conscient qu'il est important d'avoir euh, une tolérance religieuse et culturelle, vers quoi nous tendons quand la société devient tolérante Oui, une fois qu'il y a la tolérance, moi je dirais d'abord c'est l'installation de la paix. Hmm. Ensuite, c'est le développement économique. Parce qu'on ne peut pas évoluer tant qu'il n'y a pas la paix. Et aussi, je peux dire, ça serait euh, le développement même holistique, c'est-à-dire dans le domaine religieux comme dans le domaine euh, économique, social. Donc, euh, moi, je crois que c'est très important pour que nous puissions comprendre cela. Et c'est la raison pour laquelle le CEDIR est là, pour faire face d'abord aux situations difficiles qui peuvent se présenter. je prends un cas au moment où il y a eu cette dernière situation et qu'une église a été brûlée à Maradi, ah, tout de suite, euh, le président du sédir qu'est-ce qu'il a fait Il a traduit les textes, puisque c'est à cause des textes qui ont été euh, déjà acceptés au niveau de l'Assemblée nationale que ce problème a eu lieu. Il a traduit ça. Maradi ou Zender Maradi, c'est la ville de Maradi. Mm. J'étais à Maradi même quand. En quelle année euh, Cette affaire, je crois que c'est cette année même. Mm. Donc tout de suite, le président du CEDIR a traduit les textes en Haussa et puis en Germain. Et il a balancé ça à travers donc euh, les WhatsApp. Mm. Et tout de suite, euh, il y a eu des réactions un peu partout. Ben, nous, nous, on a eu une autre lecture. Mais c'est comme ça, si c'est ça, mais euh, le Coran n'est pas contre. Mm. Si c'est ça, mais c'est quelque chose d'acceptable. Mm. Donc le CDR est là pour faire face à des incompréhensions. Hein, et afin d'éclairer les gens, afin d'éviter des situations... de confusion mm. et de problèmes. Mm. Et aussi, le CEDIR est là euh, pour euh, réfléchir d'avance. Hein, avant que le problème n'arrive, euh, le CEDIR réfléchit d'avance pour pouvoir aider Hein, la population à faire face à des problèmes qui peuvent surgir, en tout cas euh, dans l'avenir. Hmm. Monsieur Nyoli Hassan Labdani euh, de la CADEV, est-ce que justement cette question de la paix et de la cohésion était l'objectif principal visé à travers Zamantare qui signifie euh, ce programme en tout cas de CADEV, Zamantare, qui signifie le vivre ensemble. Oui, effectivement. L'objectif général visé par le projet, c'est que chacun puisse considérer l'autre, qu'on puisse s'accepter et travailler ensemble pour la paix au Niger. Donc c'est euh, l'inclusion à travers ce que nous faisons, l'inclusion à travers ce que nous sommes dans notre vie de chaque jour. C'est l'objectif visé par le projet. Et comme l'a dit le révérend pasteur, mm. nous appuyons le CEDIR effectivement à faire des sensibilisations aux jeunes, aux femmes, aux leaders religieux, toujours dans ce sens-là. Il y en a qui ne connaissent pas qu'un chrétien et un musulman doivent peuvent travailler ensemble mm. parce qu'ils ne connaissent pas les textes. Mm. Ils ne sont pas peut-être allés à l'école, ils ne savent pas. Donc, à travers effectivement l'appui de ces dires, nous amenons des gens dans les communes au niveau régional et au niveau national à comprendre que la paix, c'est le travail de tout le monde. La cohésion sociale, chacun doit y mettre sa main pour que ça avance. Au niveau des religions, faire comprendre aux gens que à travers les textes, personne n'est exclu ce sont des religions monothéistes, ce sont des religions qui prennent d'abord la paix. Hmm. Et pour dire la paix, tu dois la faire non seulement avec ton frère de même religion, mais aussi avec ton frère qui n'est pas de ta religion. Hmm. Merci. Hmm. Alors, euh, je reviens à vous, euh, messieurs les membres du CEDIR, le comité inter- et intra-religieux, euh, en tout cas du dialogue inter- et intra-religieux. Est-ce que, quels sont les fondements religieux qui existent en matière de tolérance religieuse je, pose cette question à Louham Omega le euh, fondement en question, pour, le cas de l'islam. le cas de l'islam et même de toutes les religions monothéistes, je peux dire, hmm. euh, ils ont tous pour base le même ancêtre. faut jamais l'oublier. Hmm. Jacob, Isaac et Ismaël sont tous issus d'Abraham hmm. euh, dont ils se réclament. Et c'est Dieu qui a descendu sa clémence et sa miséricorde à, l'endroit d'Abraham et pour faire sortir de lui des gars, des, comment dirais-je, des envoyés de Dieu pour professer hein, la parole divine, pour faire connaître ce que le Créateur, hein, hein, euh, l'Omniscient, euh, le Clément, le Miséricordieux veut à l'endroit de ce. Je n'ai crié des hommes et des djinns que pour qu'ils m'adorent. Mm. Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit. Mm. Donc, euh, je n'attends aucune rétribution d'eux. C'est à moi de subvenir à leurs besoins. Dans ce cas, donc, vu de cela, la base même de toutes les religions, c'est une seule personne. C'est une seule voix, une seule divinité. Mm. C'est de là le mot euh, monothéiste qui, qui croient en Dieu. Il croit en Dieu, tu crois en Dieu. Le chemin que chacun va emprunter pour aller vers Dieu, ça, c'est pas à toi, c'est Dieu même qui a créé ces, religions-là. Mm il ne t'appartient pas à toi de dire que parce que toi tu crois en toi, tu es chrétien ou tu es musulman, tu es plus croyant que l'autre. Hein? Hmm. Fais en sorte que ton, ce que tu fais soit conforme à la religion et surtout aux recommandations divines. Hmm. Monsieur euh, euh, euh, Djergou Baragé, par rapport au, au, fondement religieux du côté du christianisme, par rapport à cette question de tolérance religieuse, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Pour nous les chrétiens, en tout cas, la tolérance religieuse vient de Dieu, euh, puisque Dieu prend pour l'unité. Déjà, nous voyons cela à travers la famille. Mm. Dieu a créé l'homme et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mm. Ensuite, Dieu a béni le premier couple, mm. multiplié et remplissé toute la terre. Ça, c'est une des choses. ensuite, euh, si nous parcourons en tout cas toute la Bible, nous verrons qu'il a toujours prôné pour l'unité, pour la compréhension. Euh, et, même Jésus, avant de partir euh, dans Jean chapitre, je crois, 17, il a prié pour euh, l'ensemble des chrétiens en disant, je prie pour que vous soyez un, comme mm. moi et le Père, nous sommes un. Donc moi, je peux dire que ce fondement est très fort. Mm. Et c'est pourquoi donc nous devons lutter et œuvrer euh, par tous les moyens pour pouvoir préserver cela. Hmm. Je me souviens une année, hmm. euh, nous avons eu un colloque au niveau du Grand Hôtel où on a invité des musulmans et des chrétiens hmm. euh, afin de parler sur la cohabitation. d'abord, dans un premier temps, nous avons écouté ce que les musulmans ont préparé dans le Coran, qu'est-ce que le Coran dit par rapport à la cohabitation. Nous avons eu le temps de leur poser beaucoup de questions le deuxième jour, c'était des chrétiens qui ont aussi préparé cela dans la Bible. Au, finish, nous avons compris que les deux religions prônent pour la paix, prônent pour l'unité et la tolérance. Et nous nous sommes dit donc d'où vient le problème euh, Le problème vient premièrement de l'ignorance. Mhm. Et d'où on a interpellé et les pasteurs et les ulémans. C'est leur responsabilité de sensibiliser, d'éduquer et d'enseigner le peuple. Donc, euh, moi, je peux dire le fondement vient de Dieu. Hmm. Et ce qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui a, en tout cas, une grande importance. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des, exemples de récits de tolérance euh, des messagers des religions euh, du côté du, christianisme au temps du, du prophète Issa Jésus. ce que je peux dire par rapport à cela, je viens de dire avant de de, partir au ciel. Il a prié pour ses disciples. Je prie pour qu'ils soient un. Et il nous a exhortés à nous aimer les uns les autres. Et il a dit, en ceci, tous connaîtront, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Il nous a toujours exhortés à donner de bons exemples, à être la lumière et le sel de la terre. Donc tout ça, ce sont des choses qui euh, démontrent que la volonté première, c'était de voir les hommes vivre dans la paix, dans la crainte de Dieu et dans l'unité. Monsieur Alohama Maïga, des exemples de récits de tolérance du temps du prophète euh, Mohamed et salut Il y a toujours des hadiths qui disent que euh, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc c'est une recommandation divine quand les musulmans font un, ils se réunissent, ils discutent ensemble et que les problèmes des uns et des autres sont partagés par les autres hein, et, que personne n'est exclu, ou tout le monde compte. je crois que c'est l'exemple, il est plus palpable dans ce sens. Mais est-ce qu'il y en a peut-être qui pensent que cela ne s'adresse qu'aux musulmans bah, bah, de cela, c'est tout, justement, le, pasteur vient de, le révérend Barazé vient de vous expliquer l'ignorance, Tant que l'individu n'a pas une certaine connaissance euh, de la spiritualité ou il n'est pas très ancré dans les textes, comme dirait je coraniques et autres, on peut penser tout ça. Si on regarde Déjà, la, Bible, euh, la biographie du prophète, on sait que le prophète a eu à prier dans les églises. Hein. Et il a autorisé également des chrétiens à prier dans, euh, les mosquées. Alors de là, il n'y a pas quelqu'un, comme je vous disais, l'être humain, il est ce qu'il est. Hein. Mais il y a les règles divines qui sont là. Quand, en matière de l'islam, on doit appliquer à la lettre tout ce qui est recommandation divine et non choisir sa propre manière de voir les choses. Nous entamons la deuxième partie de cette émission concernant les efforts qui jouent les différents acteurs au profit justement de la tolérance. Euh, alors, je commence par vous, euh, Monsieur Hassan Labdani Yoli. Vous avez commencé tout à l'heure à évoquer un peu ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, de façon un peu plus détaillée les actions que vous menez en faveur de la tolérance religieuse et culturelle au Niger Très bien, merci. Alors, au niveau de Zamantari, soutenu par les, partenaires. Que vous avez déjà cité. Bien sûr, nous mm. avons aussi les structures locales, mm. telles que dire et eh bien, euh, le les ministères, les structures de la jeunesse, les structures de femmes, les OSC, qui nous euh, qui travaillent avec nous dans ce sens-là, mm. en ce sens que nous avons des formations de sensibilisation euh, dans le cadre de la tolérance culturelle et religieuse. Nous avons euh, des plaidoyers que nous voudrons faire avec les organisations de la société civile, la formation euh, des hommes des médias, les journalistes, la formation des enseignants de l'école primaire, des bourses pour des étudiants en master ou doctorat dans le cadre de la cohésion sociale. Nous avons aussi la caravane de la paix qui va s'installer eh, le mois prochain dans, toutes les régions du Niger pour sensibiliser et encore attirer l'attention des uns et des autres sur la paix. Nous avons aussi eh, au niveau communautaire la formation des dirigeants locaux que nous avons eu à faire le mois passé. Eh, pour interpeller les dirigeants locaux, nous parlons des conseillers des mairies, les mm. chefs traditionnels, mm. les chefs religieux, mm. pour euh, aussi les rappeler, ils le savent, leur rôle dans le cadre de la paix et de la tolérance culturelle. Hmm. Et cette activité a été une réussite parce que euh, dans les cinq communes, nous avons réussi effectivement toutes euh, les personnalités qui sont venues pour aussi nous donner de leur expérience. Et ils ont pris des engagements pour dire qu'ils vont sensibiliser exactement, sensibiliser la population dans le cadre de la paix. Hmm. Et, cette question des, formations à l'endroit de la société civile, à l'endroit des journalistes, à l'endroit des, enseignants, euh, quel est le contenu qui est mis euh, pour chaque acteur et l'objectif visé Ok, pour les OSC par exemple, nous les, nous les formons toujours dans le cadre de la tolérance culturelle et nous les invitons à faire un plaidoyer auprès des autorités. Donc euh, euh, la dernière fois, nous avons fait cette formation et nous avons mis en place un comité de 10 personnes qui euh, est chargé de détecter le message de plaidoyer et avec le formateur suivre maintenant une série de séances de travail pour fournir un plaidoyer aux autorités. Pour les enseignants, par exemple, nous avons dans les cinq régions ciblées par le projet, c'est-à-dire Niamey, Maradi, Zender, Agadez et Difa, nous allons prendre une trentaine d'enseignants pour les former sur la tolérance culturelle et religieuse et aussi sur les directives de l'UNESCO sur l'enseignement du respect de tous, la prévention de l'extrémisme religieux violent en milieu scolaire. Et un suivi sera fait pour que les directeurs restituent, excusez, restituent ces formations à leurs enseignants respectifs. Mm. Voilà. Et nous avons, comme je l'ai dit au niveau de la caravane, euh, donner des bourses au niveau euh, des artistes comédiens et des artistes chanteurs qui nous ont proposé un chant, euh, j'allais dire national, mm. pour inciter à la cohésion sociale. Et au cours de la caravane, les artistes là iront avec nous dans toutes les régions mm. pour inciter la paix dans les maisons de culture et de la jeunesse. Vous avez parlé au tout début de, de bourses à l'endroit d'étudiants pour la recherche. Oui, effectivement. Au niveau des bourses, par exemple, euh, nous invitons les étudiants qui sont en master 2 ou en doctorat recherche qui voudraient bien axer leur recherche sur la cohésion sociale, la tolérance, le dialogue, et tout ce qui est cadre avec la paix. Mhm. Donc, euh, dans les huit universités du Niger, huit universités du Niger, mhm. nous allons euh, faire, nous avons déjà identifié mhm. euh, les recteurs, nous les avons rencontrés, certains étudiants, et avec les structures de jeunes qui existent déjà, la humaine et puis l'AMEN, parce que c'est des structures à vocation L'association des élèves et étudiants musulmans, et l'association des élèves et étudiants, chrétiens. chrétiens. Il y a aussi la GEC. Donc, nous les avons d'abord ciblés, c'est eux qui sont notre euh, nos points focaux, et qui vont sensibiliser davantage les étudiants. Et une fois dans les universités aussi, nous avons eu aussi des points focaux au niveau des enseignants qui sont d'accord avec ce projet et qui vont nous appuyer. Donc, euh, je rappelle que ça a été lancé ce mois et ça sera clôturé en fin de ce mois, c'est-à-dire en fin de janvier, 31 janvier, pour qu'on reçoive les, les dossiers des étudiants, les étudier et les choisir pour ce, Pour des appuis, hein, exactement. dans leurs travaux dans de recherche. exactement. Et la bourse consiste à appuyer justement euh, l'étudiant à travailler durant un an hmm. euh, pour fournir un document de son mémoire. Et nous, allons, nous, nous aurons besoin de ces résultats de recherche pour euh, présenter en conférence à ses frères des étudiants pour les sensibiliser encore dans le cadre de la tolérance culturelle. Hmm. Voilà. Bien. Mhm. Alors, Monsieur Alou Hama mega euh, du alors, du côté du CEDIR, quelles sont les, activités qui sont menées Au niveau du CEDIR, depuis la, création d'abord, puisque nous avons commencé à par le CEDIR communaux d'abord, hmm. donc au niveau. Euh, Vous pouvez nous euh, rappeler en quelle année Donc en 2014. Hmm. Donc 2014, donc avec un financement de revalorisation euh, de, la paix, pour la culture de la paix, et le SOS Civisme, hein, qui nous ont financé. Donc, on a installé d'abord les cédures communaux au niveau de, communes, de 5 communes au niveau de Niamey, 56 communes au niveau de Zender, 42 communes au niveau de Maradi, d'Ifa, et il y a l'observatoire au niveau euh, d'Agadez. De, et ensuite, en fin de compte, au niveau en 2017, nous avons eu la, la chance d'avoir mis encore en place les les dire régionaux de Dosso, Tilabéry, et puis, comment dirais-je, à, des choses, comme à je d'IFA depuis 2014. Euh, euh, donc, donc, euh, sur, sur, les huit régions du Niger, toutes les huit régions, de CEDIR sont déjà étoffées. Mm. Et en 2017 également, nous avons appelé les représentants de tous les des régionaux où on s'est retrouvé au niveau de Maradi pour voir. Hein, au, niveau de, comment dirais-je, comment est-ce que les choses évoluent dans les régions hmm. ce que nous appelons un machin à mi-parcours, hmm. donc pour échanger les bonnes pratiques, les pratiques réussies pour voir et ensuite pour pouvoir améliorer. Et justement, euh, qu'est-ce qui est réellement fait en faveur de la tolérance religieuse est en de la Est-ce que c'est des prêches, des séances de prêche Ce sont des séances de prêche et de formation et surtout le débat au niveau des, radios et des télévisions, donc mm. nous avons mené des débats au niveau entre religieux, musulmans et chrétiens mm. à chaque fois, puisque partout où nous faisons des... Et puis on a formé également des responsables au niveau communal pour que après notre le départ des responsables régionaux, eux aussi, ils continuent la sensibilisation au niveau des, femmes, des jeunes et autres, puisque tous sont des prêcheurs et des, des pasteurs dans le milieu. Donc, ils sont en mesure de continuer la sensibilisation auprès de leurs euh, comment euh, euh, leur, représentants dans les, dans les, communes et autres où ils évoluent, hmm. effectivement. Révérend Baragé et Djergou Baragé, quelle autre action de ces dires a menée jusqu'ici en faveur de la paix et la tolérance bon, Je peux dire mon frère, euh, donc. Pour euh, compléter, ce que Mega a commencé. Il a parlé par rapport à ça. Il y a eu des rencontres de sensibilisation. Euh, comme le CD national, je peux dire, c'est une jeune organisation. il n'y a pas longtemps, je crois que nous avons moins d'une année d'ailleurs qu'on a été reconnu. Donc, nous sommes dans une phase maintenant de, d'abord de nous de représentativité, de nous faire connaître un peu partout par le public, par en tout cas euh, divers euh, partenaires euh, au développement. Mais nous avons prôné quand même de faire quelque chose au niveau des écoles. Par exemple, nous voulons sensibiliser en tout cas les élèves. D'ailleurs, nous sommes en train d'éditer un petit livret qui va permettre à ce que, au niveau des écoles, qu'ils puissent voir et quand nous nous trouvons, par exemple, dans une classe, ce sont des questions très simples qu'on posera aux élèves, en leur demandant, par exemple, euh, euh, en tant que musulmans, euh, qu'est-ce que le Coran dit sur la cohabitation. Mm. Mm. Et nous, on va entendre les réponses des enfants. Mais euh, le livret est là pour corriger parce que ça serait appuyé avec des versets du Coran et des versets de la Bible. Ah s'il y a des chrétiens parmi eux, donc si jamais ils ont donné un enseignement qui n'est pas euh, couvert par euh, la Bible ou le Coran, nous allons leur dire, ben, écoutez, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que le Coran dit. C'est-à-dire ces, ces livres vont servir de référence entre pour les différentes exactement, religions. Et ça va les permettre maintenant de corriger hmm. les erreurs, en tout cas, qu'ils auraient peut-être entendu euh, entendues auprès euh, des autres qui sont mal intentionnés. Juste une petite précision, tout à l'heure vous dites que vous, ne ça fait pas un an que vous êtes reconnu, alors qu'on sait que le a euh, travaillé depuis en tout cas plus de 4 ans. Oui. Euh, mhm. Peut-être comment expliquer cela Bon, comme le frère Maïga l'a dit, le CEDIR a commencé à travailler depuis 2014. C'est après qu'on a vu la nécessité euh, d'élargir euh, les CEDIR, sinon ils ont commencé avec euh, la région de Tifa, ensuite la région de Inders mm. et, puis la région d'Agadez. Ben, quand toutes les régions maintenant ont eu leur bureau du CEDIR, la décision est venue donc euh, de se retrouver pour créer un bureau national. Donc c'est le bureau national qui date qui, est très récent, dont la reconnaissance est, récente. Voilà. Hum. Bien. Alors, Monsieur Hassan Labdani euh, Yoli du CADEV, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans votre activité de tous les jours dans, dans ce travail euh, de plaidoyer pour la tolérance religieuse et culturelle au Niger? Alors, il faut dire que la difficulté majeure, c'est d'abord euh, la participation des uns et des autres. Lorsque nous parlons de paix, il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui ne croient pas. Alors, nous faisons refaire ou disons référence à ces dires parce que tout simplement, ils ont euh, l'expérience et ils ont l'habitude de le faire. Et nous prenons appui sur ces personnes-là pour leur dire, ah, si l'autre l'a fait, c'est que c'est possible. Donc la difficulté majeure, c'est que euh, on a des gens qui ne sont pas encore d'accord avec ce que nous faisons. Mm. C'est une grosse difficulté parce que nous disons que la paix c'est pour tout le monde. Nous n'excluons personne. Et dans ce sens, quand nous approchons vers, nous nous approchons vers ces personnes, elles ont du mal à saisir. Exactement. Alors nous faisons, nous prenons appui sur ce qui est déjà fait pour dire aux uns aux autres que c'est possible et on doit le faire. Mm. Voilà. Alors, euh, voilà, Monsieur de Sédir, quels sont aujourd'hui, à votre avis, les facteurs clés qui favorisent la réussite de la tolérance religieuse dans, notre pays Monsieur Maïga les facteurs clés, il y a déjà, il faut dire que notre société même, nous avons la chance que notre société nigérienne étant une société où il y a un brassage de population d'une manière effective. Les uns et les autres, chacun se marié dans telle ou telle ethnie. Au niveau des ethnies, il n'y a pas de problème entre les mariages interethniques et de tout le temps, mm. on sait que les mariages sont des facteurs d'unité, hein, de réconciliation, même en cas de guerre. Quand vous épousez une femme de telle ou telle région, vous, vous devenez tous ensemble de la même famille et même autant de, conquêtes et autres. Là, c'est là à le rapprochement entre les peuples. Donc, au Niger, nous avons cet état d'esprit où nous avons la parenté à plaisanterie donc, les, les comment dirais-je, au niveau de telle ethnie, mmh. et, la religion n'est pas contre cela. Hein. cela renforce donc la cohésion et surtout l'entente. Donc, quelle que soit votre religion ou autre. Il n'est pas rare de trouver au Niger que dans la même famille, il y a toutes les tendances religieuses. Un est chrétien, l'autre est musulman. Euh, dans au, sein, de, la religion hein. musulmane même, il y a d'autres tendances également. Mm. Hein, quelqu'un est, l'autre est Nashbandia, l'autre est Chazelia, ainsi de suite. Mm. Mais Mais l'harmonie, ce qu'on veut, c'est que chacun suive sa religion comme il l'entend, dans le respect de hein, l'autre. l'autre. Mm. Révérend Djergou Baragé, quel autre facteur peut permettre, de, en tout cas, de réussir cette tolérance religieuse et culturelle bon, La première des choses, moi, pour moi, c'est la religion d'abord. Hmm. Il faut connaître sa religion. Que dit le Coran Donc, la Que dit la Bible hmm. hein, Cela nous permettra quand même d'éviter certains, certaines choses qui ne sont pas, en tout cas, euh, bonnes et qui ne sont pas favorables pour la cohésion. Hmm. Une autre chose, il y a la solidarité africaine. Il nous faut puiser dans ces richesses-là. Parce qu'on sait que. Dans les traditions. Dans les traditions. Mm. Parce que nous, on dit ton étranger, c'est ton Dieu. Mm. Donc, euh, il faut faire en sorte, quand même, euh, que ton étranger sorte euh, comme il se doit mm. de chez toi. Donc, je crois qu'il nous faut puiser là-dedans. Parce que tout n'est pas mauvais dans notre tradition. Il y a des choses qui sont bonnes. Ensuite, pour moi, je crois que ce qui peut aider aussi, c'est de cultiver le nationalisme. Au niveau de l'école, même de l'église, un peu partout, même dans les familles, mm. hein, qu'on puisse enseigner euh, la population à aimer leur pays, mm. à œuvrer pour le bien de leur pays. Mm. Cela va nous permettre d'aller au-delà des individualités. Exactement. Cela va nous permettre, en tout cas, euh, d'aller loin Hassan euh, qu'en est-il des facteurs qui peuvent remettre en cause cette tolérance religieuse qu'on doit éviter Vous avez tout à l'heure évoqué euh, cette question de résistance encore qui persiste au niveau de certaines personnes. Quels autres facteurs, en tout cas, constituent des blocages à cette tolérance Alors, les, facteurs euh, qui constituent le blocage, les leaders de CEDI l'ont déjà effleuré, c'est l'ignorance, à mon sens. Parce que lors de nos activités, il y en a qui disent Ah, on ne savait pas, c'était comme ça. Donc on comprend qu'effectivement, les gens sont ignorants et ils sont bourrés d'intoxication ou de messages qui ne favorisent pas. Mm. Alors ils prennent pour vérité ou bien pour réalité, ils vivent avec. Mm. Et une autre, un, message contraire n'est pas favorable ou bien disons n'est pas accepté, par ces personnes. Ils deviennent bloqués mm. ou bien réfractaires au changement, exactement. Donc euh, à mon sens, il y a l'ignorance, et il y a aussi l'ouverture de soi. Mm. Lorsque je suis musulman ou chrétien, je vais vers mon frère, pas pour qu'il me convertisse, mais pour comprendre lui aussi ce qu'il fait. Mm. Et ça pourra m'aider à grandir davantage. Et à l'accepter. Et à l'accepter, effectivement. Mm. Merci bien. Alors, pour finir, euh, je pose cette question à tous. Comment aujourd'hui vous pensez qu'on peut créer entretenir davantage la tolérance religieuse et culturelle au Niger. Sur quoi mettre l'accent pour y parvenir euh, Révérend Gergo Moi, j'ai quelques points, en tout cas, sur lesquels nous devons mettre l'accent. D'abord, lutter contre l'extrémisme. Parce que ça, ça divise la population et ça pousse même à la violence. Deuxièmement, les médias. Euh, c'est pas n'importe quelle prêche qu'il faut passer à la radio ou à la télévision sensibiliser donc tous ceux qui sont du corps, en tout cas les médias, pour qu'ils puissent vraiment voir. Dès qu'une émission qui ne favorise pas la paix euh, passe, qu'ils l'évitent de la passer sur les antennes. Mm. Et ensuite aussi éviter le régionalisme. Mm. Nous sommes tous enfants d'Adam et Ève. Nous sommes tous de Dieu. Mm. Nous devons faire en sorte de nous aimer les uns les autres. Merci. Alou Maïga euh, je crois que je, suis euh, d'accord avec le révérend Barazé. Mm. Euh, il faut surtout lutter contre l'extrémisme, le fondamentalisme. Mm. il est selon moi, il faut que ceux qui ont la chance d'être acceptés pour faire leur prêche au niveau des médias, que relèvent des structures reconnues par l'État. C'est déjà un gage où on s'est situé les gens, puisque quand les gens appartiennent à une structure, ils ont le droit de réserve, puisqu'il y a la doctrine de, la structure en question qui est à respecter sur le plan spirituel, hein, sur le plan, euh, comment dirais-je, de, la religion. Mais de, parce on se dit musulman ou autre, ou marabout ou autre, on vient, on se met dans des diatribes qu'on ne connaît même pas parce qu'on a vu ailleurs quelqu'un se mettre à crier à travers. Mm. Cela n'est pas tolérable. Mm. Euh, on, termine par vous, hein. euh, Hassan Labdani du Kadev Sur quoi mettre euh, l'accent aujourd'hui pour parvenir à installer et à entretenir davantage la tolérance religieuse au Niger. Ok, merci pour la question. J'épouse euh, les réponses déjà des prédécesseurs. Mm. Et je pense à mon niveau, il faut s'appuyer sur les structures de jeunes qui existent. Nous avons déjà cité tant bien euh, de, structures. Mm. On peut s'appuyer sur ces structures en les invitant à, à collaborer avec d'autres structures. Ça peut être un socle pour nous. Et nous avons aussi nos valeurs, nos coutumes. Il y a la parenté à plaisanterie qu'il ne faut pas vraiment mettre de côté. Il faut l'accentuer et que ça soit vraiment connu par tous. Et aussi l'esprit du bien commun. Aujourd'hui, lorsque je suis en ville, un feu est rouge, je dois m'arrêter. C'est pour moi-même d'abord. Et permettre à d'autres aussi de passer parce que tout à l'heure, euh, dans quelques minutes, ça sera aussi mon tour. Donc, tenir compte des autres pour effectivement euh, évoluer. Mm. Et aussi, nous devrons penser, nous, et non moi. Hmm. Voilà, pensée est vraiment globale pour que le nationalisme, comme le tonton l'a dit, dans ce sens que nous devrons vraiment lutter pour notre pays et favoriser aussi les plus démunis. Hmm. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose oui. C'est vraiment le programme euh, éducatif hmm. euh, il va falloir vraiment euh, encourager dans le domaine de, la morale, encourager l'enseignement de la morale. C'est là qu'on peut commencer avec euh, les enfants et mm. quand ils grandiront avec cette idée, je crois que ça permettra à ce qu'il y ait en tout cas une société meilleure que la nôtre. Mm. Une dernière question que je voudrais vous poser, Azan Labdani. Tout à l'heure, vous avez dit que le, le programme Zamantare intervient dans cinq régions, sur un total de huit régions. Est-ce qu'on peut savoir qu'en est-il des trois autres régions alors, euh, c'est un projet, vous le savez, quand un projet vient, il y a déjà des zones qui sont ciblées. Mm. Nous avons Maradi, Zender, Agadez, Niamey et Difa qui mm. sont ciblées, où disons, on pense qu'on a besoin de plus de sensibilisation dans ce sens-là. Mm. Les autres régions ne sont pas mises euh, à l'écart parce que la caravane nationale du Niger va sillonner toutes les régions avec des formations toujours et des sensibilisations dans ce sens-là. Donc elles ne sont pas mises à l'écart, mais on fait avec. Sur ces mots prend fin donc le forum d'aujourd'hui sur la tolérance religieuse et culturelle au Niger, les facteurs de réussite. Nous retenons que c'est important pour qu'un pays puisse vivre en paix et la paix qui conditionne le développement socio-économique et des facteurs euh, importants de réussite de, cette tolérance religieuse est d'abord la connaissance de soi, la connaissance de sa religion et l'acceptation de l'autre aussi euh, la multiplication des actions, en tout cas de sensibilisation, de plaidoyer à l'endroit des uns et des autres. Nous étions en compagnie de Hassan Labdani Yoli, coordinateur national du programme Zamantare de l'ONG Caritas Développement Niger, CADEM, Alouha Mamaïga, secrétaire chargé des relations avec les partenaires au niveau du comité pour le dialogue inter et intra-religieux CEDIR national, et le révérend Gergou Baragé, qui est trésorier général également au niveau du CEDIR national. Je suis Alassane Kouzi Mahmadou pour la présentation, la technique assurée par Hussein Isaka. Merci.